Vous militez pour euh, quel parti politique Vous êtes bien sûr candidate aux élections 2020. Oui, je milite pour la SDR Savoie. Donc, euh, j'ai déposé ma candidature euh, à la législative. Financièrement, comment est-ce que vous vous préparez pour affronter la campagne électorale à venir bon, Vous savez, parlant de campagne, surtout du, du point de vue femme, c'est pas chose facile D'abord, la femme, elle a le peu qu'elle a, c'est ce qu'elle utilise pour financer sa campagne, avec l'aide, bien sûr, de son mari et aussi à la famille, les amis. Elles peuvent aussi apporter leur aide. Ce n'est pas toujours d'ordre financier. Elles peuvent apporter d'autres aides matérielles et même faire la campagne en faisant venir d'autres personnes dans le parti. Mais pour débuter, pour commencer, il faut d'abord avoir le peu. Le peu, là, ton peu, là, il faut d'abord. <laughs> bon, je ne peux pas dire que je ne suis pas financièrement prête, mais je fais de mon mieux. La première difficulté est qu'il n'y a jamais assez d'argent pour financer une campagne. C'est tout ce que je, c'est le moins que je puisse dire. Il n'y a jamais assez d'argent pour financer une campagne. On fait toujours avec les moyens de bord et avec le temps comme je viens de le dire, on arrive à faire aboutir les choses avec certaines aides mhm. et d'autres pas. Donc c'est la seule difficulté que vous rencontrez Non, euh, c'est pas la seule difficulté. Il y a aussi euh, les femmes. Elles sont confrontées souvent au refus de leur mari. Elles veulent s'engager, mais souvent les maris n'acceptent pas qu'elles s'engagent vraiment dans la politique. Elles préfèrent euh, être souvent à, malgré l'engouement qu'elles ont pour la chose. Et d'autres fois, elles négocient, négocient, elles nous abordent en nous faisant comprendre d'aller vers leur mari pour convaincre. Vous voyez un peu. Mhm. Donc ça, c'est des difficultés aussi auxquelles les femmes sont confrontées dans la vie politique. Cette difficulté-là, bien sûr, vous n'en faites pas partie. Vous avez le soutien dans intégral tout ce que je fais, j'ai la question de mon mari.